di ci liggéey liggéey bu am solo yéen ñëpp ñu ànd cee yéen di ko liggéey bi ci gën a am solo nag ma gën leen cee bëgg gën leen cee jàpp mooy bi Macky Sall waxee na parrainage képp ku parrainé loolu moo la war a def candidat biñ ma ko waxee ak parrainage ni mu méttee ak carte ñi ni mu jafee ma ñëw man rek maa dugg Touba Ndorong pare na fi lu toll ak 3400 ngeen jox ma seeni carte d'identité loolu. maa ngi leen ciy sant di leen gërëm te xam na doole jooju yéen a ma ko jox xam naa ne Touba Ndorong kii ñuy wax am na ñoo xam ne ñu ngi mbubboo ne ñoom ñooy borom bu dee ñoom ñooy boroom jàpp naa ne tey dana leer bu dee ñoom ñooy boroom jàpp naa ne suba dana leer bu dee ñoom ñooy borom jàpp naa ne gannaaw suba dana leer waaw jërëjëf waaw waaw na leer rek. jërëjëf jërëjëf léegi nag message bi xam naa dana leen jaaxal parce que dama leen a wóolu rek ngeen ñëw wuy si ma kon li ngeen doon wax gëm naa ko li ngeen naan ak nu mën a demee rek fa nga bëgg ñu dem fa nanga nga fexe ba wan ñu photo ba rek ñu def ko fa kon nag maa ngi leen di ñaan toog leen ngeen déglu ma fu ma leen wax foofu la rek nañ ko yóbbu foofu ndax li may xeex ndax li may xeex pour yéen ñëpp la. li may xeex pour Touba Ndorong la am na ñuy wax ne ñu ngi may jox xaalis ma di ko téye giñ naa ci yàlla giñ naa ci yonent bi lépp luñ ma jox yóbbul naa ko samay jigéen ñi man nag xamal naa leen lenn luñ ma jox ci sama poos bii lay jóge di ñëw di leen ci jàppale bu ma sañoon nañ ñëw ci campagne bi jàppale ñu ñu ma jox suñuy jigéen ñu liggéey waaye wax dëgg yàlla liggéey ba sonn keneen ñëw jéggate ke ne moom moo ko moom loolu du fi amee tey du fi amee ëllëg fii Touba Ndorong am na borom du fi am du fi am du fi am du fi li si des nag li si des nag mooy am na ci keneen ku ñëwee wax ne juge na ci beneen parti ñu ñëw jox ko 40 millions pour mu ñëw ne man dara ci Touba Ndorong du ma tudd tur waaye ci beneen parti la jógee loolu lañuy ñuy informé waxaat nañ ne. am ñu fi jox 10 millions waxat nañ ne am ñu fi jëndal auto ak lenen ak lenen waye man de yalla xam na ne gisulen ben auto buñ bu def Macky Sall ñu abal mako gisulen ñu jox ma ben auto pour ma campagne laj naa ko ba sonu te nañ comme joxuñu ma sama cër te yeen la am ngeen jappalé ma ci limay may bëgg ñu xeexandoo ko amandoo ko maa ngi leen di sante di leen gëreem photo buma leen won ne leen fi la rek nañ ko fa daaj rek dana leen may nak dana len may tok di len deglu ma ngi lancer son message diko wax president Macky Sall ñun duñ nangu du liggey ba heure bi ñeneen ñew diñu ko yakal nañ nañ xam ne nag yak yomb na top yak yom na top buñ wul man na am té nak kuy bu ko ta yak comme dama bëgg défar nañ ñew ñu waxal ñun mënu ñu ko buñ ay ayca rek fala buñ ay ayca rek yeen ñop ekiti len sen loxo. bu ñu la rek foofu la maa ngi toog di deglu buma len degul bu soobee yalla dana wote wat te sumay wote woote teene lay wote wax fa ma jëm. Depuis Matar Diagne et son mouvement a rallié l'Alliance pour la République, la paix, nous n'avons accumulé que déception, frustration et manque de considération. Aujourd'hui, nous sommes à 9 jours dans la campagne électorale et que Moussa Gagne et son mouvement n'ont reçu aucun moyen financier ni matériel. Or, nous avons entendu que un responsable du PDS qui avait récemment rallié pour Idrissa Seck a reçu 40 millions pour Touba Un autre responsable a reçu 10 millions. Un autre a reçu 30 millions. Or, alors que Matar Diagne qui détient la base. Regardez toutes les, ces braves femmes-là qui sont derrière nous. Regardez toutes ces braves femmes-là qui sont acquises à la cause de Touba qui sont acquises à la cause de Matar Diagne. Toutes ces femmes-là sont là. Matar détient la base. Et nous défions quiconque. Celui qui peut gagner Touba doit passer par Matar Diagne. Mais M. Matar Diagne n'a reçu aucun moyen financier. Matar a un seul véhicule et c'est son véhicule. N'est-ce pas Et le staff de Matar Gagne fait plus de 10 personnes. Quand nous devons nous déplacer, il va falloir que Matar loue un véhicule ou bien nous marchons. Vous trouvez ça normal Aujourd'hui, nous avons entendu qu'un concert est organisé au terrain de Go. Est-ce que nous sommes sérieux Est-ce qu'ils sont sérieux Est-ce que Walisek peut gagner Toubandorong Est-ce que Walisek peut gagner tout Matar Diagne seul peut gagner Toubandorong. Alors que Matar n'a aucun moyen. Et ce que nous disons, aucun responsable politique de la euh, ne peut le nier. Aucun responsable de l'APR ne peut nier que Matar n'a pas été soutenu. Matar Diagne est un responsable politique. Je vous dis que lors des parrainages, il est le seul responsable politique qui a osé parrainer à, à À Et il a donné à M. Mondiaï Rahman 3400 parrains. Il faut le faire. Il faut le faire. M. Matar lors des élections, lors des élections du référendum, l'opposition avait gagné par plus de 1000 voix. Je dis bien, l'opposition avait gagné par plus de 1000 voix. Lors des élections législatives, coïncidant avec le ralliement de M. Euh, Matar Diagne à l'APR, nous avons considérablement, je dis bien, nous avons considérablement réduit le score. Le score qui était de 1000, plus de 1000 voix, a été réduit à 56 voix. C'est M. Matar qui a fait ça et sans moyens. C'est lui seul qui l'a fait avec ses propres moyens. Alors, pourquoi nous le négligeons Pourquoi il néglige Matar Gagne Il néglige Matar Gagne, il le piétine. Ne l'auront pas le président Macky Sall. Ne l'auront pas le président Macky Sall. Il faut, il faut soutenir ceux qui travaillent. Il faut soutenir ceux qui ont la base. Matar Gagne, dès à présent, nous arrêtons toutes nos activités au niveau de, Touron, au niveau de Toubandorong. Nous arrêtons toutes nos activités au niveau de Toubandorong. Nous les attendons et nous les écoutons. Nous les écoutons. Je vous dis que le mardi passé, on a installé le comité électoral de Toubandorong. On avait dit que nous allons battre campagne ensemble. Mais depuis lors, depuis l'installation du comité électoral, rien n'a été fait. Chacun va de son côté. Est-ce qu'on pourra gagner Touba dans la dispersion Jamais. Jamais. Matar Diagne est la seule personne, et le seul responsable politique qui peut gagner Touba Celui qui peut gagner, gagner Touba n'a pas passé par Matar Diagne. Donc, nous disons au président Macky que tous les responsables politiques de Beno Yakar sont dotés de véhicules. Nous, nous n'avons qu'un seul véhicule et je l'ai dit tantôt, c'est le véhicule de Moussa Matar Diagne alors que nous avons emprunté, personne ne nous a prêté un véhicule. Vous trouvez ça sérieux Et Moutard, regardez la base, regardez ce qui est derrière nous. Et ça, ça ne fait même pas un cinquième de notre base. Nous avons appelé quelques responsables pour faire une déclaration. Donc, nous, arrêtons nos activités et nous, vous écoutons. Nous écoutons le président Macky Sall vraiment pour que Matar Diagne soit, qu'on lui donne plus de considération parce qu'il le mérite. Il mérite la considération. Mais les autres responsables doivent le Donc, euh, nous vous remercions.